Pour Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir euh, et bienvenue à ce rendez-vous du soir sur la télévision Tambara de presse ce matin du président RDR Kenji Mohamed Ousmane relative à la situation sociopolitique du Niger. Suivez plutôt. Nous avons choisi cette voie-là pour plusieurs raisons. Ce n'est pas pour des raisons strictement personnelles. Moi, je Vous le savez. Dans le monde entier le sait mais modeste personne a déjà eu à occuper cette fonction de président de la République, démocratiquement élu par le peuple nigérien. Sans Sans aucune contestation. Au total, je crois que je me suis présenté pratiquement 6 à fois aux élections présidentielles. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de porter le contentieux devant notre cour de justice communautaire de la CEDAO, pas pour ma modeste personne seulement, non, mais pour l'intérêt général du peuple nigérien, pour la paix pour la sécurité, pour les valeurs auxquelles je crois, les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie, les valeurs de la République. Oui, les valeurs de respect des droits humains, parce que ce sont des facteurs importants qui contribuent à la création d'un bon climat dans un pays, à la création aussi des conditions de meilleure production et de meilleur développement pour l'intérêt de chacun et de tous. Voilà les raisons qui m'ont motivé à persister malgré le fait que certains sont dubitatifs. Ils n'y croient pas. Parce que pour beaucoup, ah oui, ben, quand on a le pouvoir, hein, on doit être toujours gagnant. On entend beaucoup de gens qui affirment que euh, je ne peux pas être au pouvoir, organiser des élections et les perdre. Mm. C'est un non-sens. Moi, j'ai été au pouvoir. J'ai organisé des élections. Je les ai perdues. Et j'ai accepté. Et le monde ne s'est pas éprouvé. La démocratie, avec ses règles, l'expression de la volonté populaire doit être sacrée. Il faut la respecter. C'est pour cela que j'ai dit qu'il est important que effectivement nous utilisons les voies normales, les voies de droit claires, nettes, transparentes pour faire valoir les droits des citoyens. D'ailleurs, je l'ai dit au cours de mes rencontres avec vous que je veux éviter à mon pays des situations difficiles. Une dizaine d'années de gestion oh, nous a montré les défaillances, les insuffisances de ceux qui avaient la responsabilité de l'État. Et 2000 19, en décembre, j'ai fait une communication publique où j'avais interpellé les plus hautes autorités de l'État, où j'avais même rendu public ce qui n'est pas dans mes habitudes. Un entretien que nous avons eu avec des hautes personnalités au plus haut niveau de l'État consistait à faire un constat du fait que nous allons aller à de nouvelles consultations électorales pour renouveler les institutions de l'État de manière démocratique en s'adressant au peuple nigérien souverain. Le constat était que tous les mécanismes et les dispositifs qui ont été mis en place et qui ont fait leur preuves pendant une dizaine d'années passées, pendant la Ve République. Ces mécanismes-là et ces dispositifs sont tantôt bloqués, tantôt en panne, ne fonctionnent pas. Et l'insécurité a été invitée à s'installer au Niger. Le directeur général des impôts a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale constitutive du Cercle de fiscalité du Niger ce matin à la Chambre de commerce. Aïssa Adamou vous en dira un peu plus sur les images de Ibrahim Kantama. La présente cérémonie marque l'Assemblée générale constitutive du Cercle des fiscalistes du Niger, une jeune association qui vient de naître conformément à la loi numéro 91-06 du 20 mai 1991 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des associations au Niger, d'où la nécessité pour le président du comité d'organisation de faire un zoom sur les visions et objectifs du cercle des fiscalistes du Niger. Il s'agit, je pense, d'une grande première au Niger, la création d'un cercle de fiscalistes euh, dont l'ambition est de faire la promotion du services fiscal et d'améliorer, de participer en tout cas à l'amélioration du recouvrement des recettes fiscales. Euh, si je pense que s'il y a une structure qui devait s'en réjouir, c'est bien la Direction générale des impôts, et à plusieurs titres. D'abord, je remarque que dans l'association, il y a des fiscalistes en exercice chez nous, des agents des impôts, il y a des fiscalistes d'entreprise, il y a des fiscalistes en route, on va dire, les élèves qui sont à l'ENA. Donc c'est une association qui regroupe un monde assez diversifié. Cela traduit d'abord euh, une certaine hétérogénéité qui, au finish, va donner un très bon résultat. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, si je prends les fiscalistes qui sont à la DGI, ce sont des jeunes. Beaucoup ne sont pas dans le cercle de décision. Lorsqu'il s'agit pour nous d'implémenter les réformes, de faire comprendre aux gens les réformes, lorsqu'on doit concevoir, agir, lorsqu'on doit amener des idées pour faire avancer l'administration, ou les sujets fiscaux, eux, ils ne sont pas dans nos cercles de réflexion. Ils ne sont pas là pour contribuer parce qu'ils n'ont pas accès. Et pour nous, c'est un manque à gagner. Mais lorsque ils se retrouvent dans des structures comme ça, nous avons la possibilité de les utiliser parce qu'eux, ils ont les idées nécessaires pour ça. En ce mot de l'ensemble, le directeur général des impôts, parrain de la dite assemblée, a exposé les avantages de cette initiative en matière de fiscalité, car selon un adage, je paye mieux quand je comprends ce que je paye. Je suis très très honoré et satisfait que les confrères euh, me fassent confiance en élisant au poste de, président, euh, du premier président de cette association, euh, pour laquelle euh, depuis très longtemps on a beaucoup voulu l'avoir créée au Niger et qu'elle vient d'être créée aujourd'hui. Donc je suis vraiment très honoré et je mesure la portée euh, du poids qui a été mis, euh, placé sur moi. Tout au long des assises de cette Assemblée générale, les participants ont procédé à un toilettage des textes et règlements du cercle et aussi à la mise en place d'un bureau. Ainsi, un seul candidat était au poste du président et a été élu par acclamation, ce qui ne le laisse pas sans voix. Et cette Assemblée générale du cercle des fiscalistes du Niger a été rehaussée par la présence et l'accompagnement de la Chambre de commerce l'École nationale de l'administration et de la magistrature, et et la Direction générale des impôts. Enfin, notons que le bureau élu va désormais conduire les destinées de cercle des fiscalistes pour un mandat de deux ans. Bon, donc à ce nouveau bureau. Maloud ce matin au stade municipal de Niamey du grand Cheka et guide spirituel de la Darikatou Tidjania Cheka Ibrahim Ignace. C'était en présence du Cheka Aboubakar Chota et plusieurs Cheka de la sous-région contre de Abgagara et Abdoulaye cette forte mobilisation des adeptes de la marque la quatrième édition du Mauloud du Cheikh Ibrahim Ignace, le 15 Rajab 1900. Cette année, ce grand événement a vu la présence de plusieurs chèques du Niger, notamment Cheikh Aboubakar Kota, et sont venus des pays voisins, à savoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire, et même la présence de la délégation de l'ambassade du Sénégal au Niger. Ce Mahmoud du grand guide spirituel, Cheikh Ibrahim Ignace, est un moment fort opportun pour les adeptes de la Dorikatou Tidjania de montrer leurs sentiments. Euh, le thème général sous lequel nous avons mis la célébration d'aujourd'hui, c'est la réunification de la Trika Tijania par Cheikh Ibrahim, le Kadimkia. Vous savez très bien que Cheikh Ibrahim est ce grand voyageur qui a voyagé à travers le monde, ce grand africaniste défendait des causes, beaucoup de causes d'ailleurs, qui voulaient réunir le monde entier. C'est pourquoi il a donné ses filles en mariage partout en Afrique, en commençant par la Mauritanie, en passant par le Niger, le Nigeria, au Ghana, au Mali, partout. Il est devenu tonton. Une occasion pour Barham Aboubakar Kyota de rappeler l'importance de cette journée ainsi que les enseignements du siècle islam. C'est un grand combattant euh, de la cause palestinienne. C'est un grand combattant au moment des indépendances pour l'indépendance des États africains. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour la propagation de l'islam soufi en Afrique. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour l'éducation en général. C'est un érudit qui travers toute sa lignée il ils ont tous mémorisé le Saint-Coran. Et puis tous ses enfants et toutes ces filles ont aussi mémorisé le Saint-Coran. C'est ce monsieur que nous sommes en train de célébrer. C'est un homme qui a vraiment participé à la, à la création de beaucoup d'institutions internationales de coopération comme l'OCI. Donc c'est quelqu'un vraiment d'international. Notons que cette euh, quatrième édition du Mauloud de Cheikh Ibrahim Ignace a pris fait avec plusieurs sida des adeptes de la Derika Tudjania, tout en rappelant que le grand Cheikh Aboubakar Kyota a appelé les fidèles musulmans à combattre le mal et a invité les fidèles musulmans à la pratique de l'islam, tout en priant pour que la paix et la prospérité redescendent dans le pays. Après trois mois de négociations, un protocole d'accord a été signé le 15 février 2022 entre le gouvernement et la dynamique de 30 syndicats du domaine de l'éducation et de la formation relativement à la plateforme revendicative du 25 mai 2021. Suivant la réaction du secrétaire général du SNEM, Issifou Arzika, sur ce protocole d'accord. Nous avons pu en faire euh, enfin trouver un terrain d'entente avec le gouvernement sur l'essentiel des points. Alors, ce qu'il faut saluer dans ce protocole, c'est que quand même, le consacre la reprise et non l'aboutissement des négociations qui étaient rompues avec euh, notre employeur, c'est-à-dire le gouvernement, euh, pendant plus de trois ans. Nous sommes dans notre quatrième année, et s'il n'y avait pas eu ces sessions d'échange, on aurait passé cette quatrième année sans avoir d'interlocuteur. Et je pense que cette euh, étape est à de d'autant plus qu'elle a permis quand même aussi, entre autres, de consacrer un autre processus qui était interrompu, celui directement des enseignants contractuels à la fonction publique. C'est pourquoi nous estimons que c'est déjà une bonne chose parce que la plus grande préoccupation des enseignants aujourd'hui, c'est directement la fonction publique il vient d'être euh, repris et il faut le saluer. Même si du côté des syndicats, nous avons encore et quelques réserves par rapport notamment aux critères de ce recrutement-là, qui feront de toutes les façons, selon l'esprit de l'accord, objet des discussions entre la partie gouvernementale et les syndicats pour que euh, les choses se passent très bien et que ça ne puisse pas léser certains de nos camarades, surtout qui ont passé et donc beaucoup d'années en tout cas à se sacrifier en prenant un pécule à la place d'un salaire, mais faisant le travail nécessitant un salaire. Alors ces camarades méritent quand même un certain traitement particulier. Alors, euh, de l'autre côté, il y a pas mal de points qui concernent également les enseignants, c'est la question de la carrière, la rouverture des concours, et, fait, l'organisation des concours régulièrement, c'est-à-dire chaque année, le paiement des incidences financières et des rappels. Nous venons d'obtenir un montant de 100 millions qui peut, qui peut évoluer en fonction aussi euh, de la situation financière, un montant mensuel de 100 millions quand même à dédier aux enseignants. Je pense que c'est aussi quelque chose de bien parce que ça fait beaucoup de temps qu'on ne paie pas aussi les les incidents financiers et les rappels. entre autres points, il y a celui du, du, du recrutement des contractuels âgés et bien sûr, ce point-là, et, le gouvernement parlait d'une certaine auxiliarisation. C'est vrai, on a eu à avoir un accord à l'époque qui dit qu'il faut les recruter tous à la fonction publique, mais chemin faisant, en tout cas, ce qui nous a été servi n'est pas un recrutement à la fonction publique, c'était même de le mettre sous statut d'auxiliaire, même si ce n'était pas qu'ils seront des manœuvres ou, ou qu'ils en auront le traitement, non. C'était juste une question de termes, de terminologie. Décidément, on a fini par retrouver tout simplement un enseignant contacté à la fonction publique, qui veut dire que ce sont des enseignants donc qui vont faire, qui vont avoir une certaine carrière, notamment finir avec une pension. Ce qui n'est pas le cas pour un contractuel qui, quel que soit le nombre d'années euh, euh, durant euh, lequel il a cotisé, il va juste prendre la somme de sa cotisation et partir, ce qui n'est pas le cadre de sa protection sociale. Donc ici, ses camarades enseignants auront quand même une pension à la fin. Et même ceux qui ont dépassé l'âge, l'État a promis qu'il va verser le montant nécessaire qu'il va leur permettre à la fin donc d'avoir une pension. Nous pensons que c'est là une bonne chose. Maintenant, le contenu, parce que pour ceux qui est de leur carrière, et pour ceux qui est de ceux qui ont aujourd'hui à partir de 46 ans à 50 ans, ils ne peuvent pas passer 14 ans à 10 ans à être et donc des contractuels, donc condamnés à être des contractuels. Nous avons pensé qu'on euh, peut améliorer ce processus directement des contractuels âgés en faisant qu'une tranche d'entre eux puisse aller à la fonction publique. De toutes les façons, le protocole là, il a un avantage, c'est que les discussions ne s'arrêtent pas à partir de ce protocole. Et un comité paritaire va être mis en place, qui n'est pas le comité de suivi ce n'est pas le comité de suivi de la mise en œuvre. Non, c'est un comité paritaire qui va continuer les discussions sur pas mal de points. Parce que pour le moment, euh, la stratégie de la c'était de prendre ce qu'on a, ce qu'on a obtenu. Il fallait le prendre. Et sinon, l'instabilité va s'éterniser dans le secteur de l'éducation et les enseignants ne vont pas gagner. Ils vont continuer à perdre sans gagner. Voilà, en fait, l'esprit de ce protocole-là. Je vous dis que son avantage, c'est qu'il a déverrouillé beaucoup de choses, beaucoup d'acquis Beaucoup de droits d'air qui étaient normalement censés tomber euh, chez les enseignants et qui ne l'étaient pas. Presque une année après la fermeture de la Comunaca, ou en avec la réhabilitation du site industriel, comment syndicaliste et ancien agent de la compagnie apprécie t cette fermeture Quelles sont les possibles orientations de la commune d'Arlette sur le plan économique. de réponses dans ce élément du studio Kalangu. Le 31 mars 2021, la mine d'uranium exploitée par Cominac, une filière du nucléaire Orano, a cessé ses activités. Le réaménagement de cette infrastructure est un défi qui doit relever le Niger explique Moussa le directeur départemental des mines d'Arlit. Il indique également que l'option choisie par la mine est le noyage de plusieurs centaines de kilomètres de galerie. L'aménagement du site, ce n'est pas une petite affaire, c'est aussi une première au nous avons l'obligation de la Russie. Et la communauté aussi, n'a pas intérêt à le battre. parce qu'il y a un coup, C'est lui qui finance le coup, Et si ça tourne mal aussi, c'est lui qui va mettre la main dans la bouche la miséranda va en maintenant. Il faut minimum 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. L'usine de traitement, l'option qui a euh, été retenue, c'est le démantèlement tous ceux qui ont contaminé, ceux qui ont médicament contaminé sera enfui au niveau de la Parce que si on de la population, ça risque d'amener, ça va amener des problèmes de santé. Cette fermeture n'a pas été bien accueillie par les sous-traitants, mais également par d'anciens agents de la compagnie. Ils évoquent certaines irrégularités, dont la prise en charge médicale qui n'est toujours pas effective. On a vu des gens qui ont eu des accidents du travail pendant le commun qui est en train de fermer. Avant, même mais on les a fait partir de pas du tout le La prise en charge par rapport à la santé, c'est des accords qu'on a signés avec Karen Assurance 5 On a dit que l'accord sera mis à compter du 1er mai 2021 pour la prise en charge. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas effectif. Ils ont dit que c'est 90% qui vont... D'ailleurs, c'est écrit derrière la carte. Pour de tenir clinique, 10 000 francs de ce qui est de consultation. Et 90% des catégorie. c'est à Avec comme aujourd'hui, nous, sommes en justice. On a, on a fait un PD de notre à avec, euh, avec les entrepreneurs parce que c'est l'entreprise qui va payer droit droits légaux. Aujourd'hui, à peu près 630 et quelques agents statutaires, y compris 800 et quelques sous-traitants. Et ces gens-là, ils sont en chômage. Il faut qu'ils ne fassent quelque chose au niveau d'Arlit. Depuis 2010, la commune urbaine d'Arlit a commencé à développer un programme dénommé Arlit après les mines, indique Maudit Abdurrahman, le maire. Ceci dans le but de créer des secteurs économiques qui ne dépendront plus de nous. Nous avons un de forme de lutte, un plan de transformation de produits agricoles de toute la région de la Pourquoi Parce que nous avons l'espace, nous avons les ressources humaines, vous savez, ces gens qui ont quitté ces sociétés-là aujourd'hui peuvent trouver même des idées la plus de petites agricoles. Le deuxième projet, c'est la transsaharienne. La transsaharienne, euh, c'est cette route qui quitte et qui se jette dans le lac Tchad jusqu'à la et et au Nigeria. Et ça, ça va aussi permettre à faire des échanges libres, euh, commerciaux, et faire d'Amit quand même un point, cas, d'attraction sur le plan commercial et qui va être parmi même dissipé, Inch'Allah. Et euh, ça va être un point extrêmement important dans le contrôle. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Rania a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. dialogue social, l'approche Bazou commence à produire ses effets, à constituer un des titres du journal Le Hérisson. Le Hérisson qui rapporte que l'ordre de la concertation plantée dans le potager du dialogue social par le président de la République, n'aura pas mis du temps pour produire des fruits. Ainsi, peut-on illustrer le récent protocole d'accord signé dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Au lendemain de sa prestation de serment tenue le 2 avril 2021, le journal rappelle que le président de la République s'est inscrit dans une logique de dialogue social et il n'est pas passé par un quelconque intermédiaire. C'est lui qui s'en occupe personnellement. À tour de Rome, il a rencontré tous les représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays. Aussi, continue-t-il à maintenir ce cadre de dialogue avec une bonne fréquence. Même la société civile dite poutiste a eu chez le journal ses temps de passage chez le président de la République. Quoi de plus normal pour le père de la nation d'écouter tous ses enfants. À chaque fois qu'il nous a rencontrés, il est resté le même direct avec son frère parler sa franchise, à l'écoute de toute proposition pertinente en vue de répondre aux préoccupations soulevées d'ici un e syndicaliste pour qui une telle démarche ne peut pas ne pas être payante. Et ça a payé, estime le journal qui explique qu'à peine ont-ils enterré la hache de guerre qu'ils n'ont déterré le pronom personnel il est né ici pour les syndicats du secteur de l'éducation qui ont observé 48 heures de grève les lundis 31 décembre et mardi 1er février 2022. Non pas parce que leur engagement a dissuadé le gouvernement, mais parce que ce dernier, sous l'impulsion du président de la République, veut à tout prix éviter un bras de fer préjudiciable à la quiétude dans le secteur de l'éducation, alors même que des actions et réformes sanitaires sont en cours pour sortir l'école nigérienne des sentiers battus sa le canard de Chenet s'est intéressé à la gestion du pouvoir par le président Bazoum. Le silence troublant de l'APR, écrit en gros dans ce titre, le journal. La mouvance pour la renaissance du Niger MRN a rendu public le dimanche dernier une déclaration relative à l'anniversaire de l'élection du président Bazoum à la magistrature suprême du Niger. Une déclaration de soutien total à la politique gouvernementale et aux multiples actions menées au service des populations. Mais contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, ce n'est pas toute la mouvance présidentielle qui est cette déclaration, mais bien la MRN. La PR brille aujourd'hui par un silence troublant. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter selon certains analystes. La mouvance présidentielle est composée de la MRN et de la PR. Malheureusement, à l'épreuve des faits, c'est véritablement la MRN qui est toujours au fond et au charbon. Le nombre de déclarations de la PR depuis l'époque du Soufou à aujourd'hui se compte sur le bout des doigts de la main. Selon un analyste politique nigérien, la PR se comporte comme si elle est dans la mouvance sans être dans la mouvance. Un jeu d'équilibre qui, selon le journal, risque à terme de porter un coup à l'alliance tissée à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle passée. Quant au journal L'Enquêteur, il rapporte dans sa parution une trentaine de voyages présidentiels à l'étranger en presque 11 mois. Bazoum a cramé la caisse pour presque rien. Écrit en gros dans ce titre, L'Enquêteur. L'Enquêteur qui nous rapporte qu'en seulement 10 mois, le chef de l'État a déjà près d'une trentaine de déplacements à l'étranger au compteur. Il multiplie frénétiquement les voyages en dehors du Niger. Sans réels enjeux économiques, politiques ou diplomatiques, ces déplacements grèvent le budget national. Bienvenue à bord d'Herbazoum. Il est dit qu'au niveau international, des règles universelles sont fixées pour classifier les voyages présidentiels, la simple visite de travail, la visite officielle et enfin la visite d'État. Chacune de lieu, selon le journal, à un protocole précis. Les Nigériens ne savent pas quelle case cocher pour ce qui est des déplacements de Bazoum à l'étranger. Il en fait tellement trop selon le journal qu'on en vient à se demander s'il n'a pas la phobie de rester dans son pays. C'est peu de le dire, le dixième chef de l'État du Niger adore prendre l'avion. Question, Quelle retombée diplomatique, économique ou politique les Nigériens sont-ils en droit d'attendre de ces voyages Se demande le journal pour qui, de toute évidence, Bazoum Mohamed n'est pas dans une logique de gain pour le Niger. Ces déplacements ne font pas encore avec les intérêts de notre pays. Ils ne tablent pas sur les investisseurs étrangers à même de s'intéresser au Niger, tout comme les hommes d'affaires nationaux ne font jamais partie de ces voyages. Pour dire les choses clairement, le journal écrit qu'Obazou est très souvent dans des balades d'agrément aux frais du contribuable nigérien. Tenez, du 28 au 22 décembre 2021, presque une semaine durant, le président de la République s'est transporté aux Émirats Arabes Unis pour flâner entre les pavillons des expositions universelles du Dubaï 2020 en un peu plus de 10 mois aux commandes de l'État, le journal explique Bazou Mohamed a passé un paquet de jours à l'étranger. Il comptabilise près d'une trentaine de sorties en dehors de nos frontières. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle donne une idée de la fréquence inouïe avec laquelle le chef de l'État s'engouffre dans le monde ou plutôt Erbazoum pour des destinations de plus en plus longues. L'aéronef présidentiel ne chante pas, c'est le moins qu'on puisse dire. À combien reviennent les forages de Bazou Mohamed Rien qu'en Afrique, se demande le journal qui explique qu'il est clair que ce virus coûte un pognon de dingue pour reprendre Emmanuel Macron. Et pour qu'il retombe pour le Niger, l'intérêt financier pour l'État est en tout cas quasi nul. Absorbé par ses excursions coûteuses, le président de la République n'a pas le temps de se consacrer à la résolution des problèmes basiques des Nigériens. Sa passion pour le voyage inutile l'emporte surtout conclut le journal. Quant au journal La Nation, le rapporte le sommet UE Afrique. Les chefs de l'État assistent à la cérémonie d'ouverture. Nous apprenons à apparitions le journal. Le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a participé ce jeudi 17 février 2022 à la cérémonie officielle d'ouverture du 6e sommet UAUE à Bruxelles. Un sommet que, selon le journal, a pris la ferme résolution de changer le paradigme dans les relations entre nos deux continents. Les chefs d'État du continent et ceux de l'Europe ainsi que les représentants des institutions internationales sont présents à ces assises qui en sont à leur sixième édition. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette euh, occasion, le journal nous rapporte que le président français Emmanuel Macron, président en exercice de l'Union européenne, a annoncé un investissement financier de 150 milliards d'euros étalé sur cinq ans à travers des actions de développement. Après la cérémonie d'ouverture, le président Bazoum, en compagnie d'autres de ses pairs, a participé à une table ronde sur la paix, la sécurité et la gouvernance. Barkhane est parti du Mali après un dans les colonnes du journal Muria. L'annonce a été faite officiellement ce jeudi à l'issue d'un dîner studieux qui a réuni une trentaine de dirigeants des chefs d'État africains, les présidents de l'Union africaine, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO, le président du Conseil européen et le chef de la diplomatie européenne. Le plat de résistance du menu principal de ce repas du soir n'a pas été difficile à trouver par le chef cuisinier du jour, Emmanuel Macron, qui marinait les ingrédients depuis bien longtemps. Le départ de la force française Barkhane du Mali et sa nouvelle vie au Sahel, puisque c'est de cela qu'il s'agissait, seront dès le lendemain, c'est-à-dire ce jeudi, annoncé par la France et ses partenaires européens et le Canada. Ce qui n'était qu'un secret de polichinelle est devenu réalité. Le retrait de Macron du Mali, ils se sont engagés depuis près d'une décennie pour traquer les djihadistes qui sèment l'arme et désolation au sein des populations civiles de l'armée de ce pays et actée. Barkhane, qui avait commencé à faire ses paquetages à l'origine, non pas pour quitter définitivement les rives du Joliba, mais pour s'y redéployer avec une réduction des effectifs, s'en va donc laissant derrière elle, joie pour ses contempteurs et inquiétude pour ceux qui, avec le recul d'analyse qui s'y est, mesurent l'enjeu de cette situation véritable, pandémie pour les terroristes. Mais il ne s'agit plus de refaire le monde. Les militaires mettent Bamako depuis plus d'un an maintenant à la suite des deux putschs, et leur gouvernement de transition aurait de surfer sur un terrain sentiment anti-français, nourri et grossi à dessein par des dirigeants pro-russes, ont trouvé ainsi un moyen de faire diversion pour garder le pouvoir pour de bon, ou du moins le plus longtemps possible. Le bouc commissaire était tout trouvé, la France, les descendants de nos ancêtres, les Gaulois qui n'ont pas su réajuster leur politique avec leurs anciennes colonies et sont restés cloîtrés dans l'illusion d'un précaré à qui à leur cause pour l'éternité n'ont pas vu le danger venir, s'exclame le journal qui explique que l'agent militaire déterminé à user de tous les subterfuges pour se maintenir au pouvoir profite et abuse du rôle du peuple malien contre Barkhane qui pendant 9 ans n'arrive pas à desserrer autour de lui les terroriste La France qui n'arrive pas à se dépêtrer du piège du colonel Assimi Goïta et de son populiste premier ministre Shogel Mega est ainsi contrainte de faire partir ses soldats du Mali. Mais persuadé que son appui et celui de l'Europe sont utiles dans la lutte contre le terrorisme, Paris est au Sahel. La France et ses partenaires européens ont porté leur choix sur le Niger comme nouvelle tête de proue dans la lutte contre le terrorisme à cause de la situation géographique de ce pays qui partage la zone dite des trois frontières avec le Burkina Faso et le Mali, et où se sont sanctuarisés les groupes terroristes, mais aussi parce que les Nigériens et leur armée ont montré toute leur détermination à casser du terroriste pour préserver la paix chez eux. Quant au journal indépendant plus, nous rapporte à sa le sommet Union européenne-Afrique. L'avenir sécuritaire du Sahel retient l'attention, écrit à sa le journal. Le sixième sommet Afrique-Union européenne se tient du 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. De nombreux chefs d'État, de nombreux opposants, des membres de la société civile des deux continents seront à Bruxelles. Le sommet se veut une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'Union africaine l'Union européenne, se tenant dans un contexte particulier caractérisé par la dégradation des conditions sécuritaires dans plusieurs régions du continent africain, les dirigeants devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent renforcer, voire redéfinir le partenariat. Au menu du sixième sommet, la question de la stabilité et la sécurité, d'investissement en tenant compte des défis tels que le changement climatique et la crise sanitaire L'Union européenne soutient la force conjointe du G5 Sahel. Nous apprenons sa parution, l'indépendant plus. Et pour finir, le journal Niger Inter revient sur l'affaire des 1620 tonnes d'engrais de Nomel. Où sont passés les 405 millions de francs CFA s'interroge en gros le journal dans sa parution. Nomel, c'est l'observatoire du marché des engrais au Niger, créé en 2018 dans le cadre de la réforme du secteur des engrais au Niger, Bien sûr, Mamadou Aoudi Diallo, ex-directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, était le président. À travers un jeu trouble, les recettes de cette transaction se compromis par X. La Halcia est également attendue sur cet autre présumé scandale pour éclairer la lanterne des Nigériens. Cette autre affaire qui met en cause le même à travers un père de gestion d'engrais mérite également d'être élucidée. Le dossier serait déjà au soin de la Halcia, à printemps. En effet, selon le journal, le 16 août 2019, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de l'élevage écrivait une correspondance au directeur général de la centrale d'approvisionnement en temps, et matériel agricole Kaima afin de mettre des engrais à la disposition du programme pilote de subvention. Dans le cadre de la réforme du secteur des engrais au Niger, le plan de la réforme du secteur des engrais adopté par décret le 12 janvier 2018 avait prévu un programme pilote de distribution d'engrais aux producteurs vulnérables à temps. C'est ainsi donc en 2019, le programme pilote avait ciblé 15 000 agriculteurs vulnérables dans 10 communes des régions de Dosso, Tawa et Tilaberi pour bénéficier des dotations pendant la saison sèche 2019 et selon la correspondance du ministre d'État, c'est pour permettre la mise en œuvre de cette activité dans les délais requis qu'il faut mettre à la disposition du programme pilote 1620 tonnes d'engrais, dont 810 tonnes d'urée et 810 tonnes de MPK, estimées à 405 millions de francs CFA. Cette dépense est à la charge de l'État et imputable conformément à l'accord du ministre des Finances à la rubrique engrais de mon département ministériel. L'Observatoire du marché des engrais prendra attache avec euh, vos services pour la répartition par région et les modalités de mise à disposition dans les meilleurs délais, a précisé le ministre d'État Albadé Abouba dans sa correspondance au DG de la Caïma. Mais dans sa réponse au ministre d'État, le DG de la Caïma a bien voulu lui rappeler le fonctionnement du dispositif de la centrale tout en lui promettant de faire un traitement spécial à l'observatoire du marché des engrais à l'image de l'Iran et le l'ONAHA qui continue d'acheter de l'engrais à la Caïma tout en respectant le circuit d'achat et de paiement en banque mis en place à cet effet quel rôle aurait joué Mamadou Aoudi le journal nous rapporte que M. Mamadou Aoudi Djamé était au moment des faits directeur du cabinet d'Albada Aboubaïa sous titre président de l'OMEN. C'était donc lui qui a mis en œuvre cette opération de mise à disposition de 1620 tonnes d'engrais de la La centrale d'approvisionnement des intrants et matériels agricoles a donc satisfait à la demande du ministère d'État sur la base d'un bon d'achat signé par le président de l'OMEN. À la fin de ce processus, 1500 31 tonnes ont effectivement été livrées par la Caïma à travers ses magasins de Madawa, Tayaga et Nyame. Le sac de 50 kg a été vendu par le même à 6750 francs CFA, soit 206 685 000 francs pour les 1531 tonnes d'engrais vendues. C'est à l'occasion d'une réunion tenue le 26 juin 2020 avec tous les partenaires que le Premier ministre Brigitte Raffini avait appris qu'il y a un mentor, à savoir que même a vendu les engrais pris près de la et a gardé les recettes dans un compte à printemps. Le Premier ministre avait alors instruit M. Mamadou Audi Diallo de vouloir bien restituer ses recettes à la CAIMA. À la demande du directeur général de la pour exécuter les instructions du Premier ministre, le président de l'OMEN a opposé une fin de non-recevoir au DG de la en ce sens que selon lui, ce serait faire un double paiement à la C'est dire que le président de l'OMEN est passé outre les instructions du Premier ministre